Cher amis Jeanne, merci d'écouter les programmes du Studio Kalangou émettant depuis Niamey. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal des jeunes à la présentation Abibou Garba. Et eh oui, le journal des jeunes. Nous allons commencer par la région de Dosso, département de Dougandouki, plus précisément la commune de Lokoko. Là-bas, l'État et ses partenaires ont initié un site intégré de formation agricole SIFA. Les objectifs assignés à cette initiative sont de former les jeunes en technique de production agricole, la transformation des produits et l'embauche. Selon Mamadou Sani, un producteur de lococo, cette activité a permis de fixer beaucoup de jeunes chez eux et même de booster l'économie de leur localité. Il est au micro de Balkis depuis que nous avons commencé cette activité, nous avons enregistré des avancées significatives, et c'est là, de l'étape de la formation en passant par l'apprentissage et la pratique. Nous faisons la culture maraîchère et nous nous réjouissons de l'impact positif que cette activité a apporté dans notre vie. Nous avons compris que l'agriculture et l'élevage sont des activités génératrices de revenus qui contribuent au développement de notre territoire et nous empêchent d'aller en exode. Depuis que nous avons appris les techniques de production agricole, nous restons dans notre localité. Nous produisons des légumes, nous consommons une partie et nous vendons l'autre pour subvenir à nos besoins. Nos parents sont très satisfaits de nous voir émerger en si peu de temps. Dans cette édition des jeunes, nous allons parler de cette coupe de coiffure très prisée par vous, les jeunes garçons des grandes villes du Niger. Et oui, je parle de la coupe appelée Zulu Simple ou des couches. Pour certains, c'est parce que la mode l'exige. Et pour d'autres, c'est pour plaire aux jeunes filles. C'est aussi une aubaine pour les coiffeurs. Suivons ces reportages. Nous sommes au salon de coiffure tondeuse d'or à Niamey chez Lawali. Les jeunes affluent dans ce lieu où tous optent pour la même coupe, le même modèle Zulu simple. Cette coiffure qui consiste à raser les côtés de la tête et laisser les cheveux de la hauteur. Par jour, Lawali peut coiffer 15 jeunes en raison de 500 francs CFA par tête, une aubaine qui lie à la mode. Ah, maintenant, c'est ce qui est sur la mode. Tous les jeunes là, c'est ça. Que si le nom de joueur ou bien le nom de musicien, voilà qui est sur le top. Donc, c'est à vers ça que les jeunes aussi Effectivement, c'est la mode, disent ces jeunes. Cependant, les raisons diffèrent d'un jeune à un autre. C'est la mode. C'est pour un beau. Oh, tu sais que tu vas pas faire un truc qui te plaît pas. C'est cette génération qui est comme ça. Tous les MC, ils aiment le simple là. Les autres là, c'est à cause des filles. Les autres, c'est juste pour les modes. Moi aussi, j'aime ça. Oui, aujourd'hui, les jeunes filles aussi ont de l'exigence en matière de style. Elles encouragent les jeunes garçons à faire le Zulu simple, une manière pour elles d'être avec un jeune branché et moderne. Écoutons Rachida, une jeune jeune fille lycéenne. Oui, moi j'aime les hommes qui sont simples, ah qui n'ont pas de problème. La coiffure, comme des Zoulous Zoulous là, on la simple. Coiffure Zoulou simple, oui, oui. Coiffure Zoulou simple, une coupe très prisée par les jeunes filles et garçons d'aujourd'hui et pourtant il y a dix ans c'était une autre coiffure tendance, la coiffure mode coque et racongo qui était au top dans les grandes villes du Niger. Nous sommes dans le mois de mars et à Niamey, tous les dimanches, en cette période euh, de début des chaleur, les jeunes sont nombreux à converger vers les bords du fleuve. Qui pour se baigner Qui pour se reposer dans les jardins Nous allons faire un tour au bord du fleuve pour constater des visites. Écoutez. Ah, Ils sont nombreux, jeunes et moins jeunes à prendre d'assaut la plage de l'INGS de Niamey. Pour ces jeunes qui comptent passer la journée au bord de l'eau, seul le fleuve est un remède de la canicule qui se vit en ville. Ibrahim se dit content de venir s'amuser avec ses amis. Je viens ici pour me laver. Je viens avec mes amis parce que euh, à la maison il fait chaud. Si les jeunes jouent dans le fleuve en groupe de 4 ou 5, les moins jeunes sont dans les jardins pour passer du bon temps. Dans les jardins d'Omar, le jeune Hamza venu avec deux tapis, des brochettes et de l'eau glacée dans un thermos rouge, affirme échapper à la chaleur. Nous sommes venus ici pour nous reposer car il fait chaud en ville. Dans les jardins ici, tout est bien. Pendant la saison de forte chaleur, les jardiniers voient leur chiffre d'affaires monter en flèche. Ils louent les jardins aux jeunes qui affluent les lieux. Pour Omar, les jardiniers, la période constitue une véritable aubaine pour eux. C'est pour la chaleur qui vient se rafraîchir. C'est notre on peut estimer parfois de 7 000 à 8 000 font une cotisation pour venir euh, se distraire. Donc dans ça, il faut qu'ils enlèvent aussi la location de là où ils doivent s'enjailler. En attendant le début de la saison des pluies qui occasionne la montée des eaux et marque généralement la fin de la fréquentation des jeunes au bord du fleuve, ces lieux vont continuer à engendrer une marée humaine, surtout les week-ends. Oui, il est bon de passer un bon temps euh, au bord du fleuve. La vigilance doit être au rendez-vous, car même la semaine passée, un jeune collégien a perdu la vie dans le fleuve Niger, sur la rive de Goudel, un village proche de Niamey. Eh oui, au Niger, le mariage des enfants. Le mariage des enfants est devenu un phénomène préoccupant pour lutter contre cette pratique sociale néfaste, un groupe de jeunes filles leaders s'est engagé à mener des actions de sensibilisation à l'endroit des parents pour maintenir les jeunes filles à l'école et des actions de plaidoyer à l'endroit des autorités. Il y a quelques jours, elles étaient au chevet des femmes victimes de la fistule obstétricale, la conséquence de ces mariages précoces. Jamila Souley, l'une des jeunes filles leaders, témoigne. C'était une jeune femme. Elle s'est mariée à 9 ans. À chaque chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle faisait des fausses couches jusqu'à ce qu'elle est devenue fistuleuse. Ses parents l'ont abandonnée. Son époux ne plus venu la voir. Elle s'est sentie toute seule. Le Niger est le pays avec le taux le plus élevé de mariage précoce au monde. Un quart de filles sont mariées avant l'âge de 15 ans, trois quarts avant l'âge de 18 ans. Nous continuerons de mener des actions de sensibilisation auprès des parents, des autorités publiques, des jeunes, des enfants, pour leur faire comprendre les dangers euh, liés au mariage euh, des enfants. Lorsqu'on maintient une fille à l'école, c'est la possibilité de lui offrir une éducation de qualité lui permettant de devenir euh, suffisamment confiante en elle-même. À présent, le sport avec euh, le football, euh, la Ligue des champions ou les clubs qualifiés pour les quarts de finale sont connus cette semaine. Alors, Moussa Hassan, quels sont ces clubs oui, Habibou, mardi, la Juventus de Turin a arraché sa qualification face Atlético de Madrid en s'imposant 3 buts à 0 en match retour avec un triplé de CR7. Manchester United a humilié chaque 0-4 avec un score fleuve de 7 buts à 0 et pourtant en match aller, les enfants de Pep Guardiola ont gagné 3 buts à 2. Manchester United bloque le passage au PSG avec le score de 3 buts à 1 en match retour, alors que les équipiers de Neymar avaient gagné 2 buts à 0. L'AS aussi a été éliminé par FC Porto par 3 buts à 1. Quant à l'équipe de Tottenham, elle a déjà son ticket pour les quarts de finale. Elle s'est imposée face Borussia Dortmund 3 buts à 0 en allée et 1 but à 0 au retour. L'Ajax d'Amsterdam a éliminé le triple champion, le Real de Madrid, 2 buts à 1 aller et 4 buts à 1 retour. Le Real qui a fait appel à son ancien entraîneur Zinedine Zidane après la défaite. Hier, FC Barcelone a corrigé Lyon en match retour par 5 buts à 1 alors qu'en match aller, les clubs se sont séparés par un score vierge. Après 0-0 en allée entre Liverpool et Bayern de Munich, Hier, Liverpool s'est qualifié en gagnant 3 buts à 1. Merci beaucoup, Moussa. De Filingue à Agadez, de Tawa à Maradi et à Zander, suivez le programme du Studio Kalangou sur votre radio. Studio, Studio au rythme du Niger. Et oui, maintenant, on va parler de l'entrepreneuriat dans la partie magazine de cette édition. Ces dernières années, les jeunes nigériens ne cessent de manifester leur engouement à entreprendre dans tous les secteurs, la production agricole, la transformation agroalimentaire, le recyclage, la restauration, pour ne citer que cela. Notre reporter Palkissa Amidou vous fait découvrir une jeune entrepreneur qui intervient dans plusieurs domaines. Elle, elle s'appelle Madame Sani Amina. Elle est la directrice de Fortide Agence, une entreprise qu'elle a créée en 2013. Écoutez. J'ai ouvert un restaurant en 2015. Maintenant, ayant le restaurant, je me suis aussi rendu compte que on contribuait à salir la ville parce qu'on utilisait euh, de sachets, de boîtes. Et de là, on s'était dit, OK, il faut qu'on trouve une solution à tout ce qu'on produit comme déchets. Donc, c'était de là qu'on s'était dit, pourquoi les bidons qu'on a sur place n'est pas juste les couper, les transformer en petites choses utilitaires. Et c'était de là qu'était partie l'idée du recyclage. Et en 2016, on a ouvert euh, un centre dédié à la formation des jeunes dans le cadre de la récupération, de la transformation et du recyclage des déchets solides non biodégradables. Donc aujourd'hui, on est en 2019 sur deux à trois thématiques, toujours la restauration, euh, le recyclage et surtout la formation des jeunes. Qu'est-ce que vous offrez comme recette ou menu au niveau de votre restaurant Moi, mon objectif premier, c'était de revenir à nos plats locaux et traditionnels parce que vous savez que c'est des plats quand même qui ont beaucoup de vitamines. Les fokufoy, les kofoy, les lafo, etc. Mais il s'avère parfois que les clients, c'est eux qui ont le choix donc ils me disent que ah moi euh, dans votre menu au lieu de ça ça ça, on veut peut-être des frites, on veut des poulets, on veut des nems, etc. Mais je m'assure toujours à leur offrir des plats vraiment avec le moins d'arômes possible d'huile, etc. Et on s'assure d'avoir, même si c'est pas garanti 100%, des légumes bio. À l'heure actuelle, combien de jeunes avez-vous formés euh, Dans le cadre du recyclage, j'en ai formé une vingtaine. Vous confectionnez des salons avec des pneus aussi C'est un travail à la chaîne, si je peux le dire, parce qu'on est plusieurs, mais il faut déjà aller payer. Tout ce avec quoi on travaille, on est obligé de payer. On vient à la maison, si c'est les pneus, on s'assure de les laver, avoir le moins de saleté possible et après, on procède à la fabrication. Donc, pour cela, je travaille avec un tapissier. Il y a plusieurs modèles. Il y a ceux qui veulent voir le pneu tout fait. Donc là, on le laisse comme ça ou on le peint. Ça dépend de ce que le client demande. Et quel appel à l'endroit des jeunes qui veulent entreprendre Lancez-vous, n'hésitez pas. Je vous assure, on a tous quelque chose à apporter. Qu'on soit mécanicien, qu'on soit vendeur de kékéna, on a tous quelque chose à apporter. Alors, chers amis, auditrices, auditeurs jeunes, ici s'achève notre journal. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.